alors Denis euh, Dorek rek nominé meilleur lutteur sans frappe mu am mbeur yu nga xamné nañu saison performance Mohamed Bayo wax général Malika Modou ordinateur Ibou Ndiaye wax Oboli Omar Khan, Reug Émile François Gomis nous koy franc euh, président mais, Malik aussi en français pour son internautes voilà donc pour les cinq nominés euh, dans chaque catégorie. je le disais tantôt. Mm-hmm. le votant attribue des points suivants en ordre décroissant 10 points pour le premier 5 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième nous en sommes au nominé meilleur lutteur sans frappe sont nominés Mohamed Bayo, dit général Malika, Mamadou Faye, dit ordinateur, Ibou dit Oboli, Omar Khan, dit Regret et Émile François Gomis, dit Franc. Nous allons dire que nous ci li que nous avons la gaa nous dépouillement président président. <laughs> voilà Malik, donc euh, après Lingwach, trophée meilleur lutteur sans frappe troisième Omar Khan, regrette troisième Omar Khan, nous wax regrette 69 points 69 points deuxième Mamadou Faye ordinateur numéro 2 Mamadou Faye ordinateur 86 points il a 86 points et le vainqueur s'appelle Mohamed Bayo, dit général. Malika. Mohamed Bayo, dit général Malika, est le meilleur lutteur sans frappe. Il a gagné le trophée de l'ANPS. Nous le félicitons vivement. Avec 201, points.